le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h18. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et en Fanny FM 100. Vous, pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs des régions et dans les localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozérine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Pour ce jeudi 13 octobre 2016, nous mettons à table une autre préoccupation des Nigériens, ceux des villes particulièrement. Il s'agit de la rareté du gaz sur le marché, du gaz domestique. Avoir du gaz chez les détaillants est très difficile pour les ménages et pourtant le Niger est un pays producteur de gaz. Nous, avons, nous allons le vérifier avec la société de raffinage de Zender, Sorage, qui produit chaque jour une production qui satisfait totalement la demande. Alors pourquoi le gaz se fait rare à Niamey et dans les autres villes depuis plusieurs mois alors qu'il est disponible Les difficultés actuelles mettent en cause deux acteurs principaux, les sociétés de distribution et l'État qui fixe le prix de vente. Quelle est la position de chaque acteur Que disent les associations de consommateurs Et surtout, à quand la fin du, du calvaire Autant de questions auxquelles nous allons essayer de donner des réponses avec des invités qui sont avec nous, d'autres sont en train de venir ici en direct dans le studio. Nos invités, c'est M. Mahmoud Ali, président des professionnels de gaz et directeur général de Gani Gaz. Bonsoir, Monsieur Mahmoud. Bonsoir. Merci d'être venu. Et Monsieur Momo Nouri de l'Association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata, que nous attendons d'une minute à l'autre. Nous avons aussi invité l'autre, essayé d'inviter l'autre acteur principal, l'État, mais en vain. Oui, avant de venir avec nos invités dans le studio, nous allons d'abord à Zender, où est basée la société de raffinage euh, Sorage, qui produit du pétrole et conséquemment, conséquemment du gaz destiné à la consommation des ménages. Nous avons joint au téléphone le directeur des relations publiques pour lui demander notamment leur quantité de production de gaz et surtout si elle satisfait la demande des Nigériens. Je vous propose d'écouter les explications de Magaji Dada. Au Niger, nous sommes les seuls producteurs. Nous, nous n'importons pas, nous produisons. Euh, partant du, du, du pétrole brut, nous raffinons et nous, nous sortons plusieurs produits, par exemple l'essence, le kérosène, le gasoil et, et, le gaz, et le gaz qu'on utilise pour la cuisine eh, au niveau de nos foyers. Quel est le niveau de production que vous avez pour le pays Bon, et eh, eh, la production, vous savez, nous nous traitons 2 20, 000, barils de brut par jour. Ça, c'est la capacité de notre raffinerie. On peut réguler cela en fonction de, de la demande ou de, ou de la santé de, de la société mais nous avons la capacité de traiter 20 000 barils jour. Et c'est ça, c'est de là qu'on va sortir les différents produits que je viens de vous citer tantôt. Et, pour le gaz, en termes de production, comment vous quantifiez cela Vous savez, il y a plusieurs paramètres qui interviennent dans la production et c'est ces paramètres qui déterminent la quantité des produits, des différents produits qu'on sort chaque jour. Si aujourd'hui on, traite, euh, supposons, 15 000 barils, on, peut, selon la quantité du produit, selon les impuretés qu'on va dégager, et la consistance euh, du produit, on peut dire, bon, écoutez, pour les 15 000 là qu'on va traiter aujourd'hui, il y aura euh, telle quantité de gasoil, telle quantité de kérosène, mais telle quantité de, GPL. Est-ce que ça suffit pour les consommateurs nigériens Pour le cas spécifique du gaz, concerne, nous, un moment, quand la phrase avait ouvert, sur la base des statistiques à notre disposition, au Niger, on consomme dans les 5 000 tonnes par an. 5 000 tonnes de gaz, de, gaz par an, ce qui fait 400 à 450 tonnes par mois. Ou bien, pour redescendre encore, ça fait dans les 34, 35 tonnes par jour au Niger. Ça suffit largement Ça suffit largement pour le besoin du pays. Je te donne la production sur une semaine, par exemple. Le 4, nous avons chargé 6 citernes, 118 tonnes de gaz. Le 5, 8 citernes, 158 tonnes. Le 6, 7 citernes, 133 tonnes. Le 7, 6 citernes, 108 tonnes. Et je n'ai pas les chiffres du 8 et 9, mais le 10, 5 citernes, 106 tonnes. Pour le, mois d'octobre Oui, oui, je parle du mois d'octobre. Le 11, 4 citernes, 85 tonnes. Le 12, c'est-à-dire hier, 9 citernes, pour 155 tonnes. Donc, donc tu vois, cumuler sur les 7 jours que je viens de citer, ça fait 45 véhicules qui ont été chargés pour 863 tonnes, pour, un besoin journalier de, de, 34-35 tonnes. Donc tu vois, ça fait pratiquement plus du double du besoin réel, en tout cas selon nos statistiques. Nous, au niveau de la nous pensons que nous, sommes en train de satisfaire pleinement les besoins d'univers. À la date d'aujourd'hui, nous avons 1308 tonnes en stock qui sont disponibles pour être vendues. Malheureusement, sur le marché, euh, le gaz se fait rare. Pourquoi Le gaz, si, se fait rare, ce n'est pas au Niger. En tout cas, puisqu'on a suffisamment en stock à la source. Notre euh, distribution, et on, ne vend pas aux particuliers. Et toutes les sociétés, ils partent, ils achètent avec euh, la seule société à qui nous vendons, la Solidep, et ils envoient nos programmations, voilà notre vente de commande, voilà nos clients que vous allez charger. Et tous les jours, on peut vous dire voilà les entreprises qui sont venues servir à la Soraz, voilà les, la quantité et voilà même l'immatriculation du véhicule, y compris la destination. Quelles sont vos relations avec la Solidaire, par exemple, qui commercialise Oui, on a, on a des très bonnes relations, mais c'est eux qui commandent. Ils nous disent que tel jour, tel. Euh, livrer telle quantité à, un tel de nos clients. Le besoin du Niger, en tout cas, il est largement couvert. Nous avons de quoi satisfaire euh, tout. Je vous dis, à la date d'aujourd'hui, présentement, nous avons plus de 1300 tonnes disponible, prêt à être vendu. Mmh. Ce, ce qui fait euh, pratiquement euh, euh, combien un quart du besoin du, pays annuel mmh. qui, est là disponible. Voilà, vous venez de suivre Magaji Dada, c'est le directeur des relations publiques de la SORAS. Nous l'avons joint depuis Zender pour savoir ce que si effectivement le Niger à du gaz et si c'est euh, euh, euh, la demande est, satisfaite sur le marché. Monsieur Mahmoud, je reviens au studio avec vous, vous qui êtes le, président des professionnels du gaz et vous êtes aussi le directeur général de Ganigaz. Gaz, c'est une société de vente de gaz. Vous avez écouté le directeur de relations publiques de la Souraz. Il y a du gaz. Il a donné des chiffres. Qu'est-ce que vous en dites euh, ça, ce sont ses confirmations. Il y a du gaz. Du moment où il a dit qu'il a du gaz, nous, c'est la SORAS qui nous donne des gaz. Ça veut dire qu'il y a du gaz. Mais dans la, vente du gaz, ce qu'il faut savoir, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Et quand dans la chaîne, il y a, là où ça bloque, donc il y aura des difficultés. Donc en réalité aussi, il faut reconnaître, même s'il y a du gaz, peut-être actuellement on n'est pas à la forte, au moment de la forte demande, ce qui dit qu'au Niger, on consomme par jour 34 tonnes, euh, j'avoue qu'on dépasse les 34 tonnes par jour au Niger. Ça, on les dépasse. Euh, leur capacité, malheureusement, et ils ont une capacité de chargement de 8 camions par jour. Donc, il y a des moments où il y a les Nigeria qui viennent prendre, il y a d'autres pays qui viennent prendre. Et là, cette capacité est diminuée à 4 camions nationaux. et pendant cette période, parfois, nous rencontrons des difficultés énormes donc ça ne satisfait pas la demande euh, La capacité de chargement, oui. Parce que là-bas, ils ont que des postes de chargement. Ça, il faut les noter. Et on arrive par jour, euh, si quatre sociétés viennent, on rationalise les sociétés par un camion, un camion. Et ça, ça ne règle pas les problèmes. Ça aussi, c'est un autre handicap euh, dans la distribution du gaz. Hmm. Parce qu'au moment de faire demande, parfois on est rationalisé. Alors, Magaji Dada dit qu'actuellement, il y a 1300 tonnes qui sont disponibles euh, à la Soraz et pour le marché du Niger. Mais ici à Niamey et dans les autres villes, le gaz est très rare. Pourquoi le gaz est rare Comme je vous l'ai dit, que c'est une chaîne. La distribution du gaz, c'est une chaîne. Donc, euh, dans la chaîne, il y a l'acteur principal qui fait 80% de l'activité ou même 90% de l'activité, qui est la société distributrice c'est qui Les sociétés de gaz, par exemple, les distributeurs. Oui, comme vous. Nous, par exemple. Et malheureusement, dans cette chaîne, c'est nous qui sommes euh, mal rémunérés. Donc, on a raté les départs depuis 2012, au moment où le prix du gaz a été fixé. Donc, le gaz a été fixé d'habitude, c'est le ministère du Commerce qui le fixe, d'un commun accord avec les acteurs. Mais exceptionnellement, cette fois-ci, c'est juste un prix qui nous a été donné comme ça pour lesquels on nous a dit il faut aller travailler. Donc euh, nous avons déjà dit, suscité des inquiétudes, que c'est impossible de continuer avec ces prix. Et nous avons eu des promesses que dans six mois, il y aura une révision des prix. On va s'asseoir pour une révision des prix. Depuis 2012 Depuis 2012. Et à l'époque aussi, nous avons cette joie d'avoir notre indépendance d'énergie, où nous avons notre propre gaz et tout. Nous avons dit que six mois, c'est rien, on peut supporter les six mois pourvu que ça soit révisé dans les six mois. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes à quatre ans et les six mois ne sont pas encore terminés. D'accord. On va, on va observer une pause, le temps de permettre à notre, notre deuxième invité de rentrer et de continuer le débat. Voilà, à 18h30, euh, nous revenons au studio pour euh, souhaiter la bienvenue à notre deuxième invité, M. Maman Nouri. Merci, bonsoir et merci d'être venu à, cette, euh, à ce débat. Nous étions en train de discuter avec Mahmoud Ali, qui est le président des professionnels du gaz et directeur général de, Sony, de Gaz, sur le, gaz au Niger. Nous, précédemment, nous avons suivi le directeur des relations publiques de la Soraz, qui nous a fait un peu la situation de la production par jour. Le gaz existe au Niger et actuellement il y a plus de 1300 tonnes qui sont en réserve, si on peut l'appeler ainsi. Alors, euh, pourquoi le gaz s'est fait rare Il y a eu une explication en partie de M. Mahmoud. On va vous permettre de, vous expliquer sur la réalité du, gaz dans la ville de Niamey et dans les autres villes euh, du pays, comme Maradi par exemple. Pourquoi le gaz se fait rare Merci beaucoup euh, pour l'invitation à cet entretien, à ce débat sur la question du gaz. Alors pourquoi le gaz se fait rare Je crois que la réponse a été donnée euh, par euh, le, président de l'association des professionnels de gaz, des sociétés de gaz. Mais à notre avis, euh, en tout cas selon les informations que nous avons à notre possession, c'est les difficultés euh, conjoncturelles ou structurelles liées à, la commercialisation de ce gaz-là. Alors, à un moment, effectivement, à une certaine période, il y a des problèmes euh, de disponibilité au niveau de la SORAS. Mais à l'heure actuelle, le problème de disponibilité ne se pose pas. Alors, euh, il y a, selon en tout cas les informations que nous avons, euh, ces sociétés sont en difficulté. Il y a eu une sous-évaluation de certains frais généraux et des frais de transport particulièrement. En tout cas, c'est le, document que nous avons en notre possession. Et ça a créé un manque à gagner à certaines sociétés euh, de gaz. Bon, il y a peut-être d'autres raisons. oui, on, va, on va aller sur les raisons, on va revenir avec Mahmoud. Concrètement, quel est le, fond du problème sur la rareté de ce gaz Puisque vous avez imputé, vous l'imputez à une partie de la chaîne. Expliquez-nous. Oui, comme je vous l'ai dit tantôt, vous savez, euh, la chaîne, quand c'est une chaîne qui est là, qui est là, donc quand il y a un endroit mal rémunéré, ça bloque. Donc, Tout de suite, vous avez parlé de la fixation du prix. La fixation du depuis 2012, et vous devez attendre six mois pour. Euh, voilà, depuis L'État a fait une promesse dans ce sens. Oui, l'État avait fait une promesse dans ce sens que dans six mois, la révision des prix va être euh, revue, Mais malheureusement, on n'a pas fait ça. Donc nous, nous voyons déjà ces problèmes venir depuis longtemps. Donc premier problème, la révision des prix. Premier problème, la révision des prix. Mhm. Donc euh, là, on est confronté à des difficultés et ça, c'est ce qui s'est entassé pour vraiment euh, asphyxier toutes les sociétés qui sont en train de faire la distribution du gaz. Et c'est ça qui se répercute aujourd'hui sur toutes les sociétés. Et quelles sont ces difficultés de 2012 à 2016 Les difficultés sont d'ordre financier. Du moment où tu es mal rémunéré, c'est que, que tu tournes à perte. Et quand tu tournes à perte, c'est comme si quelqu'un qui est en train de mourir il est en train de mourir, donc euh, il est là en train de battre les, derniers, il est en train de donner le dernier coup de pied. c'est ça qui est en train de se passer au niveau de ces sociétés-là. Si je prends par exemple le prix du gaz 12 kilos, vous, le vendez à 4000 euh, francs ou 3800. En quoi est-ce que c'est une perte pour vous le prix du gaz, il est vendu à 3750 aux consommateurs, selon la structure officielle des prix. 12 kilos. 12 kilos. Donc l'analyse qui a été faite, déjà sur ce prix, on est en train de perdre 1500. Parce qu'en réalité, les, prix étaient sous-évalués. Dès au départ, ils était sous-évalués. À l'époque, avant 2012, avant le démarrage de la raffinerie, euh, quand il y a une importation du gaz, c'est les agents du ministère du Commerce avec les actionnaires des sociétés de gaz qui s'assiedent pour fixer les prix. Voilà les réalités des sociétés, voilà les frais généraux, voilà les prix conseillés des ventes. Mais malheureusement, sur ce cas, ce n'est pas ça qui s'est passé. Donc, ça, il a été fixé unilatéralement. Et aujourd'hui, euh, c'est les conséquences de, ce que vous êtes en train de sentir chez vous. Vous avez accepté en comptant sur la bonne foi de l'État Oui, nous avons accepté en comptant sur leur, bonne foi. Et nous avons aussi notre, un peu la joie d'avoir notre autonomie en énergie. Vous voyez, tout ça, ça vous permet d'accepter. Mais on dit que six mois aussi, c'est pas beaucoup. Mais malheureusement, ces six mois n'ont pas, été respectés. Et il y a eu un refus de, dialoguer sur ces points-là. Monsieur Mamanouri, vous, vous êtes dans un comité qui rassemble tous les acteurs sur ce, problème de rareté. Est-ce que c'est cela, cette, la fixation des prix Ça tiraille sur. Euh, non, euh, je que, Quelles sont les informations que vous avez faites Permettez-moi de revenir en arrière. Euh, revenons à 2011 au moment où la SORAS a commencé à, fonctionner, au moment où on a des hydrocarbures. Jusqu'en 2012, il y en avait du gaz. Ça servait uniquement à produire de l'énergie pour le besoin de la SORAS et une bonne partie est volatilisée. C'est à partir de 2012 que le gaz a commencé à être commercialisé. Alors, s'il y a erreur, c'est à partir de 2012 que ça a, été, ça a commencé. Mais rappelons que le gouvernement a fixé le prix en 2011 a promis en 2012, de revenir sur les prix des hydrocarbures de façon globale. Alors, six mois après, si la révision des prix des hydrocarbures avait eu lieu, c'est que sur cette erreur matérielle ne devrait pas s'opérer. Pourquoi Parce que tout simplement, des engagements. C'est quoi l'erreur matérielle Alors, l'erreur matérielle, c'est quoi Comme le, le, président des des, professionnels. des professionnels l'a dit, c'est qu'il y a une sous-évaluation. Cette sous-évaluation, euh, euh, en tout cas, euh, c'est vrai, c'est le ministère en collaboration le, ministère du Commerce en collaboration avec le ministère de l'Énergie qui a, qui a fixé le prix. Et rappelons d'ailleurs que les hydrocarbures sont les, un des produits, en tout cas c'est des produits et qui dont le prix et sont fixés par l'État. Donc ça, c'est la responsabilité de l'État. Ce n'est pas euh, euh, euh, des produits libéralisés. Ou les Vous êtes d'accord avec les, professionnels sur ce point On est d'accord. Le, prix, le point de départ, il y a eu problème. Tout le monde est d'accord. Mais rappelons aussi que quelque part, ces sociétés, la plupart sont jeunes. Elles sont jeunes, même si elles bénéficient du, en tout cas, du code d'investissement. 5 euh, ans. Euh, ça vous permet en tout cas d'être opérationnel, d'importer peut-être euh, souvent sans, avec exonération. Donc, il y a ces avantages. Mais non seulement elles sont jeunes, elles ne font que du gaz. Que du gaz. Alors que de façon globale, quand on prend la structure du gaz, ça serait difficile que la marge supporte l'élan de ces jeunes entreprises. Mais il serait beaucoup plus judicieux. oui, hein. mais il serait beaucoup plus judicieux de faire d'autres hydrocarbures tels que les huiles, tels que l'essence, tels que le gasoil. Là, actuellement, il y a une société qui persiste, c'est parce qu'elle fait ça. C'est Sony. C'est-à-dire qu'il y a souvent un des secteurs ou deux secteurs qui supportent parfois, en tout cas, les autres secteurs tels que le gaz les sociétés, il y a des sociétés qui ne font pas ça. Donc, ça serait difficile avec la demande forte, avec les exigences, surtout des banques, parce qu'ils partent vers les banques, ça serait difficile pour eux, en tout cas, de supporter les charges, et tout en sachant que quelque part, ils ont des engagements. Et nous savons euh, le taux d'intérêt par rapport aux emprunts bancaires, c'est des taux d'intérêt l'un des plus forts de la zone UEMOA. Là aussi, c'est une des raisons fondamentales que ces sociétés, en tout cas, sont confrontés à des difficultés. Ça, il faut le dire. Là, il y a une autre raison fondamentale. Rapidement. La, raison fondamentale, euh, c'est qu'il n'existe pas un mécanisme en dehors du code d'investissement qui permet d'orienter ou de, en tout cas, d'encourager les jeunes entreprises ici au Niger, particulièrement la question des sociétés gaz. Si on voulait que le gaz soit un facteur de lutte contre la désertification, il fallait avoir un mécanisme institutionnel, un mécanisme qui permet à ces sociétés d'être opérationnelles et de fournir à tout moment le produit aux consommateurs nigériens en tout lieu. Mais malheureusement, il n'existe pas une politique réelle sur le gaz, il n'existe pas un document réel sur le gaz, il n'existe pas en tout cas une stratégie réelle sur le gaz actuellement. C'est ce qui fait que, en tout cas, il y en a beaucoup de facteurs qui ont fait que, en tout cas, la question du gaz euh, se pose beaucoup, avec beaucoup de difficultés et le problème est, d'acuité certaine. Euh, nous, allons nous tourner vers Mahmoud, euh, monsieur le directeur général. Vous avez entendu le diagnostic de Maman Nouri, notamment le fait que le gaz ne peut pas supporter tout euh, est-ce que c'est une réalité, une réalité de, de, votre problème actuel C'est une réalité du problème. C'est euh, même euh, c'est la réalité du problème qui vient d'expliquer, mais il faut aussi tenir compte que dans une activité commerciale, il n'y a pas une activité qui supporte une autre. C'est-à-dire, si moi je ne fais que du gaz, je ne dois pas être obligé de faire du carburant pour que le gaz soit rentable. Le gaz doit, rentable parce, doit être rentable parce que moi-même, je ne fais que du gaz. Donc, je dois être bien rémunéré dans mon activité et, faire mon activité comme ça se doit. Euh, L'autre société à laquelle euh, le moment fait allusion, même cette société, elle a des difficultés du côté du gaz parce que nous, elle est, elle est membre du groupement. C'est vrai qu'elle a d'autres sources, ce qui lui permet de travailler, mais sur le côté gaz, quand on discute avec eux, quand on est à réunion, mais ils ne sont pas à l'aise. Ils l'écrivent au, au fur, même à la dernière réunion qu'on a fait avec euh, le Premier ministre, ils ont dit ça. Ils ont dit catégoriquement au Premier ministre que vraiment les gaz euh, nous créent des problèmes. Qui euh, La société qui a travaillé pendant que nous, nous avons arrêté. Donc, c'est pour vous dire, en réalité, le problème du gaz, il a été raté depuis le départ. C'est pas grave. On peut toujours s'asseoir et regarder comment faire pour régler les problèmes. Ce qui est important, c'est que les consommateurs euh, virent vers, cette énergie parce que c'est la meilleure des énergies pour qu'on puisse préserver nos environnements, notre environnement qui n'existe même pas. Aujourd'hui, si vous connaissez Niamey, ça fait 15 ans. Euh, Niamey aujourd'hui vous faites peur. Si on revient au raisonnement qui a été tenu, euh, la demande quand même est très forte la, demande, elle, la, demande, elle est là. La demande, c'est nous qui, avons stimulé la demande. C'est nous qui avons fait beaucoup d'efforts pour qu'aujourd'hui, les Nigériens virent vers le gaz. Nous avons fait beaucoup d'efforts, nous avons fait beaucoup de, campagnes publicitaires. Nous avons fait euh, aussi euh, essayer aussi un peu de sensibiliser la population sur l'utilisation du gaz. Nous avons essayé aussi parce qu'avant les gens ont peur, ils ont une vision du gaz des années 1980. Donc le gaz, c'est un produit, c'est vrai que c'est un produit dangereux, mais c'est un produit utile. Si vous suivez les consignes de sécurité, vous pouvez l'utiliser toute votre vie sans un problème. Et sur sur accent là nous avons beaucoup travaillé. Et Dieu merci aujourd'hui, la consommation, quand nous avons commencé en 2011, elle était de 3 000 sur toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, elle avoisine les 20 000. Donc ça, c'est vraiment un chapeau qu'il faut donner aux sociétés de gaz en parallèle à ça, il faut voir l'équivalent en bois. C'est énorme. Monsieur Maman Nouri, euh, vous, rencontrez tous les deux acteurs, l'État n'est pas là malheureusement. Comment l'État perçoit ces difficultés Bon, euh, je crois que l'État est certainement sensible par rapport à ces difficultés. Euh, du moment où, tout le monde utilise les gaz, les acteurs qui animent l'État sont utilisateur du gaz. Ils sentent la question de la rareté. Et dès lors qu'on sente la question de la rareté quelque part, c'est sûr, il y a des problèmes. Maintenant, euh, de façon opérationnelle, l'État euh, veut solutionner certainement ce problème. Mais comment faire Je crois qu'il y a un comité, quand les sociétés ont saisi en tout cas les, autorités, il y a un comité qui a été mis en place. Qui regroupe tous les qui regroupe tous les acteurs. Il y a un diagnostic qui a été fait. C'est vrai, il y a nos représentants. Mais j'imagine, quand j'ai lu le document, en tout cas, les réflexions étaient orientées vers comment faire en sorte que pour que le fonds de l'énergie soit euh, pris en charge. Et qui parle de fonds de l'énergie, quelque part, va parler le la question du prix, de la structure du prix des hydrocarbures. Parce que le fonds de l'énergie, il est alimenté par le prélèvement de 2,5 francs euh, sur le litre du carburant consommé par le consommateur. Alors, ce fonds-là, on sait comment ça fonctionne. Et ces sociétés de gaz, pour la plupart, ils savent la réalité. Ils ont vécu le problème des arriérés qui ont été épongés beaucoup plus tard. Ce qui fait que la réflexion a été beaucoup plus orientée sur ça. Il n'y en a pas de diversité. L'État a fait un effort, vous voulez dire euh, Non, c'est le comité. L'État n'a pas encore pris une décision. Ce document devrait permettre à l'État de prendre une décision pour juguler le problème des, sociétés des gaz. Mais il se trouve que la proposition qui a été faite ne peut pas régler tout de suite. Nous allons revenir sur les tendance, J'arrive, j'arrive. La tendance, quand on applique ça, on va aller vers l'augmentation du prix du litre d'essence. on va, revenir sur ça. Le temps de demander euh, au, monsieur Mahmoud, vous avez supporté hein, toutes les difficultés dont vous parlez pendant 4 ans, puisque c'est depuis 2012. Actuellement, comment ça s'est terminé pour vous Est-ce que euh, ça veut dire que vous êtes en faillite Quel est le terme qu'il faut utiliser et comment ça se manifeste le terme qu'il faut utiliser, on est en difficulté. C'est ce qu'il faut utiliser comme terme. Mais ceux ce qui viennent de parler aussi sur le fonds de l'énergie, nous, en réalité, nous voulons éviter les fonds de l'énergie. Parce que les fonds de l'énergie, c'est quoi Le fonds de l'énergie... Avant de revenir au fonds de l'énergie, actuellement, peut-on dire que vous êtes en train de boycotter, vous êtes en grève ou bien qu'est-ce que vous êtes en train de faire nous, nous euh, étions en grève nous avons, euh, euh, pas, les gens appellent ça une grève, mais c'était un arrêt d'activité pour, incapacité. Mais quand nous avons fait aussi les pour incapacité de fournir du gaz, incapacité de fournir le gaz au prix actuel. Donc quand aussi nous avons regardé un peu autour de nous, nous avons vu les cris de la population, il était énorme. C'est-à-dire les gens s'affolaient, ne savaient même pas quoi faire. Donc nous, nous avons vu que nous avons obligation même si on est dans des énormes difficultés, de pouvoir quand même continuer notre activité le temps que l'État revienne sur euh, une bonne décision. Parce que l'État aussi n'a pas que ça comme urgence, il a d'autres urgences. Donc nous, nous, sommes, nous avons démarré nos activités depuis lundi pour un peu calmer la situation au niveau de la population, au niveau des consommateurs. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Euh, j'avoue que nous sommes encore aussi, l'État encore revenu encore avec un peu plus d'énergie pour vouloir régler cette situation. Si je vous comprends, actuellement on peut trouver du gaz. Actuellement on peut trouver du gaz. À, tous les points de vente Presque tous les points de vente, mais comme la demande elle est là, vous savez, le temps de fermer les trous, ça va prendre une semaine à dix jours mais euh, presque tous les points de vente sont ravitaillés. Il y a des gens qui ont déjà pu euh, se faire ravitailler depuis. Nous, depuis l'été, nous avons repris au niveau du GPG et dans presque tous les points de vente, vous arrivez à trouver les gaz à Niamey. En quantité suffisante En quantité suffisante, bien sûr. Euh, Monsieur Nouri, vous, vous êtes dans le comité, vous avez participé aux discussions, tout de suite vous avez parlé du fonds d'énergie. Et vous avez entendu, euh, les professionnels sont en train de vouloir reprendre les activités. Est-ce que c'est le constat Et euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller dans cette dynamique Non, moi je crois que euh, peut-être revenons sur les propositions, puisque c'est les propositions réellement qui vont permettre de juguler le problème, leur problème surtout, et avoir la disponibilité du gaz dans tous les points de vente. C'est ça qui est important, puisque tel que les propositions étaient faites, ce n'est pas bon nous avons notre gaz. Et ce gaz, il est disponible. C'est pourquoi j'ai dit il n'existe pas une politique réelle sur la question du gaz. S'il y a une politique réelle sur la question du gaz, il y aura une planification, non seulement en termes de prix, mais aussi en termes de croissance de la consommation. Mais dans l'immédiat Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut faire le prix a été fixé, le prix cession a été fixé, tout comme la structure du prix a été fixée de façon unilatérale. L'État était aveuglé par des recettes intenses d'argent. Il n'y a pas la vision consommation locale, niveau en tout cas de la consommation ou bien carrément, il n'y en a pas, euh, en tout cas la notion euh, de la capacité d'achat. Non seulement du gaz, de la bouteille du gaz, mais aussi du, du réchaud. Il n'y en avait pas ça. Donc le prix cession a été exorbitant. Ça, vous l'avez déjà reconnu ça, Nous l'avons déjà, en tout cas, dit. Ça a été exorbitant. Ce n'est pas normal. Un pays qui consomme du bois avec une avancée de désert très croissante, qui a du gaz, qui ne réfléchit pas sur ce prix. On est un pays déserté carrément. Le prix doit être le pivot du tout. Donc, si ce prix a été, en tout cas, relativement acceptable, c'est que n'auront nous n'aurons pas rencontré difficultés. Ça, c'est la première remarque. La, deuxième remarque, c'est la, faute à l'État, bien C'est la faute à l'État. La deuxième remarque, c'est que avant notre production nationale, c'est la Sonidep qui importe et qui revend aux sociétés de gaz. Donc, un intermédiaire achète à Oryx, Oryx et, eh, Sonidef à ces sociétés de gaz. Un intermédiaire. Et l'intermédiaire a été encore retenu dans le cadre de notre gaz, notre propre gaz. La Soraz vend à la Sonidep, la Sonidep vend aux sociétés de gaz. Où est-ce qu'on va C'est pourquoi j'ai dit il n'existe pas une politique réelle. Si réellement on veut encourager les entreprises, si réellement on veut inciter le consommateur à acheter du gaz, à utiliser du gaz, on n'aurait pas dû avoir un intermédiaire. La sonide peut chercher d'autres marges beaucoup plus ailleurs. C'est la question des autres hydrocarbures, sur la question des huiles, sur d'autres questions. Mais il y a cet intermédiaire qui est là, qui veut avoir ses marches. Et c'est malheureux. C'est pourquoi, moi je dis d'ailleurs, il y en a des problèmes de fond, de relations structurelles entre ces sociétés et la sonide peut-être qu'il n'évoque pas. Oui. Pour d'autres euh, raisons. Mais pour, pour revenir aux propositions dont il a parlé, vous, quelles étaient vos propositions pour aller vite et puis résoudre le problème Et est-ce que vous êtes euh, dans la même lancée telle qu'il est dit D'accord. Euh, ce qu'il vient de dire, moi aussi, parce que vous savez, il faut un peu tirer la, vers la réalité des choses. Moi, je ne défends pas ni la l'assurance ni l'État, mais devant une réalité, il faut connaître la réalité. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est comment utiliser les gaz. C'est pas qui a la responsabilité. Euh, quand on regarde la Soraz aussi, la Soraz est un producteur du, euh, du gaz. C'est aussi un commerçant qui doit vendre et doit faire des profits. Quand on les voit en tant que producteur et on voit les producteurs à l'échelle internationale, on voit que les produits aujourd'hui du gaz sorti de la SORAS, il est le moins cher. Ça, il faut le reconnaître. S'il y a des choses qu'il faut refaire, il faut les refaire, mais quand même, leur prix, il est vraiment, vraiment juste. Parce que le Sénégal, il est producteur, le Ghana, il est producteur, mais ils n'ont pas les prix qu'on a au niveau de la SORAS. Donc, la SORAS joue, le jeu. Ça, en tout cas, l'État quand même là-bas. Vous êtes satisfait de sa position sur ce point L'État quand même là-bas, il a vraiment bien défendu euh, les le prix de la sortie. Si peut-être il y a d'autres améliorations à faire, on peut les faire. Mais tout récemment, d'après ce que moi j'ai reçu comme information, quand la SORAS a négocié 50%, 50% avec la SONIDEP pour les exportations, ils ont demandé à revoir le prix du gaz à la hausse. Aujourd'hui, la Sorage les vend à 120. Elle a demandé à ce qu'elle la ramène à 120 euh, francs le kilo, c'est-à-dire 120 000 francs la tonne. Elle a demandé à ce qu'on la ramène à 200 000 la tonne. Parce qu'à l'international, il est jusqu'à 300 000, 400, voire même 500 000. Et là, les autorités, leurs intermédiaires, ils ont refusé. Ils ont dit non. Nous, on cherche à diminuer, on ne peut pas augmenter. On a déjà, les sociétés sont en train de crier qu'ils sont en difficulté et vous vous demandez d'augmenter les prix. Vraiment, c'est impossible et c'est ce qui a été arrêté pour le moment. Donc pour vous, quel est le nœud du problème de façon immédiate et qu'il faut chercher rapidement à résoudre pour que le gaz soit disponible le, nœud du problème, et moi je pense qu'il est très simple. Vaut mieux avoir le gaz un peu plus cher que de ne pas avoir le gaz. Parce que pour supporter, il n'y a que le fonds de l'énergie et les fonds de l'énergie là. C'est vraiment, c'est comme si on a un problème aujourd'hui et on repousse ce problème là pour euh, la semaine prochaine. Donc c'est un problème qui va revenir encore. Ça ne sert à rien. L'important c'est que les gens essayent de chercher ces produits, même si ça va coûter un peu plus cher, parce que le prix de base, parce qu'aujourd'hui les gens ont une référence comme le prix des bases. mais le prix des bases, il était déjà faussé. Donc c'est pas une référence. Donc, vaut mieux, moi, je pense, que l'État revoie, qu'on s'assure un peu, voir vraiment la réalité des choses et avoir des prix euh, euh, abordables, un juste prix. Oui, ça fait plusieurs mois que vous, vous négociez, non oui, vous savez, quand on négocie, euh, c'est tout le monde. Il faut que tout le monde soit convaincu. Donc ça prend un temps. Il faut donner à chacun le temps qu'il lui faut pour prendre sa décision ou bien pour qu'il comprenne réellement problèmes. Pour le moment, c'est l'attente donc du côté. Pour le moment, c'est pas l'attente. On est en négociation, on est en avance, on est en travaux. ça, avance bien. Ça avance bien pour le moment. Maman ça... vous qui, suivez ces négociations, vraiment dans l'immédiat, est-ce qu'une solution est possible Bon, c'est moi. Je ne suis pas, euh, en tout cas dans le comité. On a oui, mais vous avez toutes les informations. On a toutes les informations. Euh, ils ont fait leur proposition, nous avons fait nos propositions. Et je crois que ça va être confronté. Et je reviens sur euh, euh, ce qu'il a dit tout à l'heure. Le gaz, c'est un produit du Niger. Ça appartient au Niger. Même si par ailleurs, le Niger partage avec une société internationale. Comparaison n'est pas raison. Pour dire que ça se vend au, Sénégal. à tel prix. Ici, on doit le, le, le vendre peut-être même si ce n'est pas au prix du Sénégal, on, le voit approximativement. Non. C'est pourquoi j'ai dit bien, on n'a pas une politique réelle du gaz au Niger. Si on a une politique réelle du gaz, la référence, ce n'est pas forcément le prix. La référence, ça doit être la lutte contre la désertification. On est un pays très chaud. Regardez tout autour de Niamey. Mhm. Tout est ça, C'est vraiment à long terme. Hein. Mais pas à long terme, à moins terme. Oui, mais ce qui intéresse les consommateurs actuellement, c'est que le gaz soit disponible euh, sur le point de vente. Si ça peut être disponible à un prix acceptable, c'est qu'il ne faut pas oublier que euh, euh, le Nigérien moyen veut accéder à ça. Même le plus pauvre veut accéder à ça. Au fur et à mesure qu'on augmente le prix, c'est que les gens ne peuvent pas accepter, accéder à ça. C'est la réalité aussi du Niger. Il faut suivre la réalité du Nigérien. Suivre la réalité. Le pouvoir d'achat du Nigérien. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas avoir la vision du prix tout de suite, mais moi, en tout cas, nous, en tant qu'association de consommateurs, on pense qu'il faut agir sur le prix, c'est faut revoir sur les précisions. Ça, c'est pas... dans le temps. C'est Non, dans le cadre de ce processus, ça peut être ça. Ça peut être ça. C'est une rencontre, nous nous insistons sur ça. Ça peut s'ajouter à d'autres propositions, certainement. Et le prix nous, nous insistons. Ça consiste à Ça consiste non seulement à avoir le prix session, une baisse du prix session, mais aussi la question d'intermédiaire là. Il faut absolument abandonner ça. La question de 50%, 50%, là, c'est quoi ça 50%, quand c'est son IDAP, il faut questionne la question de la marginelle. Monsieur Mahmoud, on va Pourquoi on ne peut pas acheter directement à la source. Monsieur Mahmoud, on va finir avec vous. C'est quand la fin du calvaire pour les, consommateurs sur, les points de vente actuellement euh, La fin du calvaire, c'est juste vraiment quand on aura un prix juste équilibré. C'est ça la fin du calvaire. Hmm, Parce que, le problème, c'est un problème structurel. Donc il n'y a aucune solution, elle euh, est structurelle. Donc il faut la régler là-bas. Les consommateurs vont, vont, continuer à attendre non, actuellement, la fin des négociations Non, actuellement nous travaillons comme ça se doit. mais c'est pas très suffisant. Hein, c'est vrai que ce n'est pas très suffisant, mais vous savez, quelqu'un qui est en train de perdre, vous lui demandez encore de perdre plus. Donc on va essayer quand même de continuer pour essayer quand même de diminuer les problèmes et peut-être de solutionner définitivement, il faut régler les problèmes euh, à la base, c'est-à-dire la structure des prix. Voilà, euh, il est 18h59 minutes. Nous arrivons à la fin de ce dialogue et nous avons comme invité Monsieur M. Mahmoud Ali, président des professionnels du gaz et directeur général de Ganigaz, et M. Momo Nouri de l'ADC Orata, l'association de défense des droits des consommateurs. Nous avons discuté de la rareté du gaz sur le marché à Niamey et dans les autres villes. Pourtant, le Niger est un pays de producteurs de gaz. J'espère que vous avez eu assez d'informations. Nous nous arrêtons là et on se retrouve pour le forum la semaine prochaine, le lundi. Demain, ce sera le journal à partir de 18h, le journal en français. Merci de nous suivre. Bonne soirée.